Alors donc nous sommes là dans la résidence Serine Saliou Mbake, comme vous le voyez bien. Il y a donc la délégation du Royaume du Maroc qui se présente. Il y a notamment une autre délégation qui accompagne celle-ci, c'est la délégation de Sarsara. Sarsara, quand on en parle, les esprits se tournent vers cet exil de Cheikh Amadou Bamba. Le séjour que le Cheikh a eu en Mauritanie, cinq années d'épreuves endurées, dans la détermination, dans le culte exclusif rendu à Dieu, comme pour dire que la route continue et c'est toujours l'action de grâce, c'est 18 Safar. Que la paix et le salut de Dieu soient sur vous. Nous souhaitons la bienvenue à nos parents du royaume du Maroc et renforçons ainsi nos liens de parenté. Celui devant qui vous vous trouvez en ce moment précis, son nom c'est Salim Mbake, fils de Shah Ahmadou Bamba, le serviteur privilégié du prophète. Paix et salut sur lui. Celui-là pour qui le jour du départ en exil est célébré aujourd'hui. Cheikh Ahmadou Bamba a réalisé et versifié plus de 7 tonnes d'ouvrages en guise de tribut de reconnaissance vis à -vis de Dieu et des panégyriques en l'honneur du prophète, pays salut sur lui. Par ailleurs, lui, Serin Salim est le seul fils de Serin Touba qui est encore avec nous dans ce monde. Il fait partie de ses innombrables réalisations, la prise en charge totale de 50 localités avec chacune une mosquée et des enseignants du Coran et des sciences religieuses qu'il a aussi entièrement prise en charge à tout point de vue. Prise en charge sociale, matrimonial et même matériel avec des fois des noms de voiture. Et pourtant, ils sont plus de 10 000 personnes dans ce cas. En plus de ses actions, il est toujours au service de Dieu. Rien qu'à Touba, il a entrepris des travaux groutiers à hauteur de 15 milliards ainsi que 5 autres milliards entièrement consacrés à la rénovation et à l'embellissement de la grande mosquée de Touba. Et lui, c'est Salim n'agit et ne s'active que sur recommandation de Dieu et ne vise que l'agrément de son Seigneur. Et toutes les semaines, il achève la lecture complète du Saint-Coran et toutes les semaines aussi, les enfants de bas âge lui apportent des copies du Saint-Coran qu'ils ont eux-mêmes calligraphiées car l'ayant parfaitement mémorisé avec la manière conformément à la calligraphie de Sayyidina Osman dans la forme dite Warsh. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue et sachez que vous avez trouvé ici vos parents et que vous êtes chez vous. Pour nous, euh, le soufisme, la Mouridia et la Tijania faisaient toujours euh, part et partie de la religion de la vie spirituelle du Maroc. Donc nous considérons la, la Mouridia comme euh, une, partie de la spiritualité marocaine. Chaque année, Sa Majesté envoie euh, une délégation pour le représenter auprès du Cheikh. On le rencontre et faisons les da'awats, les prières pour Sa Majesté, pour sa famille et pour le peuple du Maroc. Donc pour nous, le Sénégal, c'est un autre pays pour nous, un pays spirituel qui nous lie euh, pendant des siècles et ça va continuer, Inch'Allah, jusqu'à la fin des jours. C'est un événement très important pour le monde islamique. Et nous, Mauritaniens qui passons, souhaitons que pour les années à venir, nous viendrons en masse parce que c'est vraiment intéressant. Et je sais que c'est ma deuxième fois et je vois que vraiment c'est encourageant pour l'islam, que cet événement, et que, Inch'Allah, c'est le symbole de l'islam. Touba est le symbole de l'islam. Cheikh Ahmed Bamba est le symbole de l'islam. Donc nous sommes là pour, Inch'Allah, à continuer à vivre cet événement très important. Et au nom de la Mauritanie, je remercie vraiment euh, le, Sénégal et en particulier euh, le Touba et que vraiment le mouridisme est en train de travailler pour euh, renforcer l'islam. Et merci. Et si on vous demandait de retransmettre une partie de ce que vous avez ressenti devant la Khalid générale des Mouris Moi j'ai l'habitude de rencontrer des chers partout dans le monde. je sais que chaque cher a une présence spirituelle différente de l'autre. Ça fait la troisième fois que je visite le Cher ici. C'est une très grande personnalité. C'est une personnalité de miracle. Ça, je crois pas que c'est, je suis le seul qui l'a senti, mais toute personne qui vient ici peut le sentir. Et puis, il y a cet aspect du soufisme qui est très très important. Ça émane euh, de, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. te euh, ñaanal Cheikh Saliou Mbacke mu yàgg fi lool te wér te ñu yàgg ci gannaawam te li mu ba liggéey liggéeyal seen tool yëpp mu àggale ko ci sago ñu sant nag bu baax a baax siyaare bi mu ci bis bi ànd ak mbokk yu tëdd yi nga xam ne ñi ñu jógee Maroc ñu jógee Mauritanie fekk Cheikh Habibullah lu bari ci yoon wi wax na lu bari ci Sëriñ Touba jaar jaar yi mu jaar li liggéey ci diina ji mu taalif li mu dajak defal ba sant bi ak bisu ñaan bi nga xam ne moom la màgg ba adduna sëpp di ko taxaw adduna sëpp di ko teewee ñii di suñuy mbokk di suñu xarit jóge Mauritanie ñu jóge Maroc ñu ñëw ngir bokk ak sëriñ bis bi taxawale ko ci bis bi siyaare ko ci bis bi ñu jógee ma siyaare ci sëriñ bi sàkku sëriñ bi ñaanal ko ñaanal réew ma ñoom itam ñu matale ko àggale ko kii nga xam ne muy toog moo toogal ministère des affaires islamiques bu Maroc eh, toogal fi ministre bi toogal fi gouvernement Maroc képp ñëw ci turu Sa Majesté le Roi ànd ak mbokk mi mu àndal de Mohamed Adja Naaf ñu wax wax rafet taxaw xam ñu wax Sarsara Sarsara ngeen xam ne moo doon barab bi sëñ bi jote añub liggéey bi lu bari bari feeñ fa fa yiw yu bari feeñ fa ñoom ñu jóge fa ñoom ñu ñoo toppatoo suuf sa nga xam ne fa la sëñ bi nekkoon ba teg ko ci loxo Cheikh Saliou Mbacké nga xam ña ngi moo taxoon ñu ne daal lu mu xat bi xat seen diggante seen seen bu rëy rëy eh, liñ wax lépp yaatu na ndax sëriñ bi doon wax ci turu waa Maroc wax na léegi bu rëy nee gis na ne gis kilifa yu bari gis na nag sëriñ su bari dem na fu baree bari ndax fu bari la ko waa bi yónni waaye gis na kii mu gis tey mësu gis ko ni mel te tey ma ñetteel yoon mu fi ñëw ndax loolu ak la goo xam ne eh, ñun ñëpp war nañ cee jaajuwaat war nañ santaat te ñaan ñu teg teewe lu bari lool ñaanal Cheikh Saliou mu teewe ko ay téeméeri téeméeri at ci kanam ñoom ñu itam yàgg fee ñëw te yàlla def jàmm ci réew def ko ci àdduna si defal ko ci yokk yokk yokk ay ndam ndax ndami islam mooy ndami Serigne Touba ñëpp ko bokk Je suis euh, bien sûr très impressionnée de voir la grande ferveur qui euh, anime les participants. Euh, on, sent que Touba est une ville sacrée, on sent que les gens ici ont, une vocation religieuse poussée. Et je pense qu'il faudrait davantage encore euh, internationaliser ce message pour, pour que d'autres personnes qui n'ont pas la chance d'être nées au Sénégal ou d'être dans les environs de Touba, pour que les gens se rendent compte qu'il y a un message qui est cette forme-là, un message pour tout le monde, où qu'on soit né, où qu'on habite, où qu'on soit, et que c'est un message universel pour tous les musulmans et pour le monde entier. we are here in front of the Caliph of Sheikh Ahmadu Bamba Serin Salim Mbake. And then if you can discover and you can recognize disciples from all around the world are paying a pious visit to the Caliph of Sheikh Ahmadu Bamba Serin Salim Mbake. And this is now one of the marks of the Thanksgiving Day that we call the Grand Mark of Tuba, which celebrates the commemoration of the departure of Sheikh Ahmed Bamba from Senegal to exile. So he went to undergo hardships on behalf of the Prophet so as to create the greatest day, which is called a Salvation Day, which is the Grand Magal of Tuba. Uh, I am now discovering what tolerance means and what the universal message of Islam for the entire world is, and a message of hope and love. And this is very important to me to see people living this message of love on a daily basis. The world is full of hate, and it's so refreshing, it's so uh, fantastic to feel love in Islam that I am, uh, I am overwhelmed. Seigneur vous venez de conduire une délégation en provenance du Royaume du Maroc avec une délégation en provenance de Sarsara et donc ils sont venus rendre une visite pièce à Cheikh Salim Quelles sont les impressions Mon premier propos c'est de rendre grâce d'abord à Dieu dans ce jour d'action de grâce qui est le, le 18e jour du mois lunaire de Safar un jour de, toute la communauté musulmane. Je suis l'hôte de tous ces invités, de toutes ces délégations, au nom du Khalif général des Mourid. Et mon objectif est de faire en sorte qu'ils soient satisfaits, contents et bien entretenus, bien honorés durant leur séjour. Et en même temps, prévoir toutes les stratégies et moyens qui leur permettent de mettre à profit leur visite au niveau de Touba. C'était à Touba, résident Serine Salumbake, from Hizbut